auditrices et auditeur du studio Kalangu, bonjour. Il est 11h à Niamey et c'est l'heure de l'émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, c'est Samira Wafi et avec moi, Salamotou Kadri. Bonjour Salamotou, comment tu vas Je vais bien Samira et toi Oui, ça va bien. Alors Samira, on a quoi au menu aujourd'hui Salamoto on décolle avec une heure d'actualité et de divertissement. En effet Samira, aujourd'hui, nous allons faire compagnie à nos chers auditeurs pendant une heure avec un programme bien croustillant composé d'un flash d'informations et de la bonne musique Ensuite, nous ferons un tour en région pour le reportage des régions. Nous aurons la rubrique hebdomadaire après le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu et la page sport. Dr Ali Saleh, géoruraliste à l'université de Zander, nous édifie sur le cas de la communauté akuluma Maikalgo de Zander en lien avec le changement climatique de la partie entretien. Chers auditeurs, tout au long de cette édition, nous serons accompagnés à la technique par Amin Hassan et Adam à l'édition. Chers auditeurs, pour débuter, suivons le flash d'information avec Rafika Attar. Bonjour Rafifi. Bonjour Salamatou, bonjour Samira. Bonjour. Pour le flash de ce matin, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Tiani, a signé le 1er novembre 2024 un décret portant création d'un comité ad hoc chargé d'écrire l'histoire générale du Niger. Il s'agit d'une initiative pionnière dans le genre qui vise certainement à ré écrire l'histoire du Niger de la version actuelle est largement d'inspiration coloniale. Ce comité présidé par professeur Mekore Mazakari est composé de plusieurs universitaires avec possibilité de faire appel à tous les historiens et chercheurs émérites du pays. Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse ne peuvent que glorifier l'histoire du chasseur, dit en substance un proverbe africain. La police a annoncé hier 20 novembre le démantèlement de cinq bandes criminelles actives dans les régions de Zender et Maradi impliquées dans divers délits tels que les vols avec, avec escalade, l'usage d'armes blanches et le recel. Les interventions menées par le service interrégional de la police judiciaire de Zender ont permis d'appréhender plusieurs suspects et de récupérer des biens volés, notamment des motos, des téléphones et de l'argent liquide. Enfin, le gouverneur de la région d'Ottawa, colonel-major Omar Tawaye, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la réunion du comité technique régional de santé sur la revue annuelle des plans d'action 2024 et programmation 2025. Le gouverneur a rappelé que les mécanismes de suivi et d'évaluation du PAA prévoient la tenue des revues et de programmes. C'est à cet exercice que doit être mesuré et porté un regard analytique sur les performances du secteur de la santé conformément aux objectifs fixés. Le gouverneur a déploré malgré tous les efforts de l'État et ses partenaires, beaucoup reste à faire car la région est vaste. Elle comporte 200 85 CSI, 9 hôpitaux de district et deux centres régionaux de référence pour une couverture sanitaire de 57,45%. Il a en outre invité les participants à méditer sur comment susciter et maintenir les partenaires, les leaders communautaires et les autorités administratives et traditionnelles pour un soutien plus accru dans la lutte contre les maladies, surtout au niveau communautaire. C'est tout pour le Flash 2 ce matin. Merci bien, Rafika. Passe une belle journée. Merci, Samira. Et vous, chers auditeurs, nous suivrons ensemble un entretien dans un instant avec Dr Ali Saleh, géoruraliste à l'Université de Zender. Mais avant de l'écouter, pour bien vous installer, bien sûr, nous vous proposons Auré de Big Abdel. Oh, oh. Big Abdel. Oh,

za malafya shine yau za ama kufata hankurin da ya zama tilan sai tsufa ranar sallah ce ku sake bi ɗan ranar murna ce ku da ki buɗa ranar sallah ce ku sake ɗi ɗan ganga mata qui signifie mariage et le titre que vous êtes en train d'écouter actuellement de son vrai nom Amadou Gado Abdoulaye alias Big Abdel est un artiste chanteur, auteur, compositeur. Défini comme quelqu'un d'introverti, Big Abdel expose, explose plutôt la baraka au contact de la scène et du public. Artiste engagé, il voit la musique comme un outil de sensibilisation et d'éveil des consciences. sibonzi ki asani se ni kurunye no mabonzi agabani maga se na ni sambu kete wan window go ni kambara ngunu wandani wan ni mo arhijo talfino irkoini no amana no hairani no ni kaina no ni wanda no oh masajau ni maabi na farhan suginda gom ware Fuora, living dora yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. c'était le titre Auré de Big Abdel. Après cette pause musicale, chers auditeurs et auditrices, c'est l'heure pour nous d'entamer la première partie de notre entretien du jour. Les effets du changement climatique sont pour la plupart des facteurs qui poussent à la sédentarisation et à la conversion des nomades. Docteur Ali Saleh, géoruraliste à l'université de Zender, nous édifie sur le cas de la communauté à Koloma, Michael Go de Zender. Il est au micro de Ali Niali. Dites-nous qui sont les accoulements de Et pour plus de précision, c'est la communauté Igdalen. Igdalen, c'est dans Abalakonassa. Donc, depuis 1973, donc cette communauté était de déplacement en déplacement. Donc, on a suivi son itinéraire. Et finalement, c'est en 98 qu'elle s'est stabilisée. Donc, elle est restée définitivement. Donc, euh, il va sans dire que vraiment le cheminement n'a pas été facile. Et raison pour laquelle, donc, euh, je pense qu'elle a fait un bon choix en choisissant le village de Agege. Qu'est-ce qui pousse les nomades, ou disons ces nomades, à la sédentarisation, voire à leur reconversion dans certaines activités de la vie courante Vous savez, les communautés pastorales, en principe, c'est des communautés nomades ou semi-nomades. Maintenant, avec les effets des changements climatiques, surtout pour le cas spécifique du Demergou, bien avant les changements climatiques, le Demergou avait une tradition de sécheresse. Et à un moment donné, ces sécheresses-là elles remettent en cause pratiquement tous les acquis des communautés. Et si nous prenons le cas de la communauté pastorale, c'est quoi l'activité principale C'est l'élevage. Donc dès lors que le cheptel est décimé, donc euh, elle n'a pas d'autre choix que de venir s'installer peut-être définitivement. Et c'est ça la sédentarisation. Et maintenant, à l'issue de la sédentarisation, il faut créer des activités. Assez souvent, c'est l'agriculture. Donc on passe du, nomadisme au sédentaire. Euh, au lieu de pratiquer l'élevage, maintenant c'est l'agriculture qu'on va pratiquer. Mais on a vu qu'avec la communauté Akulma Mekalgo, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, euh, elle a surtout évolué dans le commerce. Pourquoi avoir choisi la reconversion dans le commerce Bon, il y, a plusieurs raisons. Des fois on peut parler de raisons, des fois on peut parler de, contraintes. Parce que si vous venez vous installer dans un village comme, euh, puisque elle, la communauté Akulma, elle est installée dans un village qu'on appelle Yagaji. Et Yagaji, c'est dans le département de Tanout et dans la commune rurale de Gangara. C'est un village carrefour. Vous avez pratiquement l'un des plus importants marchés de la, de la zone. Et ce village carrefour a l'avantage d'avoir une mare. Pour les éleveurs, c'est quelque chose. Il a l'avantage d'être un marché de référence dans pratiquement la région de Maradi, la région de Zender, Agadez. Il est un point de ralliement des commerçants. Donc, c'est tout à fait normal que ces communautés-là choisissent le commerce. Et je pense que par rapport aux résultats auxquels nous sommes euh, arrivés, et vraiment, ils ne se sont pas trompés du choix. Donc, c'est des agro-pasteurs maintenant. Mais en plus de l'agriculture, de l'élevage, ils sont encore en train d'évoluer dans le commerce et ils sont en train de se professionnaliser. Voilà, chers auditeurs, c'était la première partie de notre entretien. Avant de poursuivre, je vous propose une autre pause musicale avec le titre Matata de Diawan. Je vais vous raconter une histoire de la fille du papa du quartier Liberté. On s'aime à la folie, de l'amour à la phobie. Que je veux la marier avant le monde de Sans faux pas c'est le liment sa maman vient de l'armée. Et mon le MC du quartier commente à chaque fois la télé. Donc pour eux je suis délinquant, un délinquant sans diplôme, qui n'a pas d'avenir, un délinquant qui paye pas. Il ne jeûne pas, Non, tu ne sais pas, je suis quelqu'un de bien. Qui peut aussi, qui fait ses cinq prières. Qui fait ses cinq prières, qui fait, qui fait. vezes sem yeah. nan take mijina tukunya ta washe kwariya ta ta washe da mi masoyi masoyi in ka sha ka ba masoya kulle ke giya kulle ke giya kullun nama kulle ke giya nama kulle ke giya to in saci ba masoyi masoyi in ka sha ka ba masoya chers auditeurs, Matata est le son que vous êtes en train, vous venez d'écouter de l'artiste Gawan. Et eh oui, de son vrai nom, Hassan Adamou, il est membre du, groupe Blos Cresco. Les gens connaissent très bien ce groupe, mais après le départ de son coéquipier vers l'étranger, il a décidé d'évoluer en solo et c'est là qu'il nous présente ce titre qu'on vient d'écouter, Matata. Voilà, chers auditeurs, continuons à présent avec la deuxième partie de notre entretien du jour avec Dr Ali Saleh, géoruraliste à l'Université il nous parle du cas de la communauté Akuluma Maïkalgo au micro de Ali, Ali Quelles sont les difficultés rencontrées par cette communauté dans sa sédentarisation. Vous savez, quand ils vont venir s'installer, c'est vrai qu'il y a l'hospitalité légendaire de la, de la population. Ils ont été accueillis, on leur a donné de la terre pour s'installer, des champs pour travailler. Il y a même eu des cas de mariage. On a à peu près une trentaine, voire une quarantaine de mariages intercommunautaires. Donc vraiment, ils ont été accueillis, ils ont été suffisamment intégrés. Mais les problèmes ne peuvent pas manquer. Et ces problèmes, généralement, c'est entre les jeunes, les jeunes de cette communauté et les jeunes locaux c'est des histoires de vol de bétail, c'est des histoires, il y a, suffisamment d'histoires. Aujourd'hui, est-ce que ces communautés rencontrent des difficultés d'intégration Sinon, comment la communauté Akulma et les autochtones ont-ils procédé pour asseoir le bien vivre ensemble dans cet espace Je pense qu'aujourd'hui, on n'en parle plus de tout cela. C'est Même cette histoire de vol de bétail et autres, les communautés se sont mises ensemble. La communauté euh, Akulma et la communauté locale qu'ils ont trouvée, on a trouvé un terrain d'entente et aujourd'hui, je pense que le village de Yagaji, il est devenu presque le principal danger pour les voleurs de bétail. Et ça, la communauté, elle a contribué parce que la formation, on était arrivé à la formation d'un comité de vigilance et ce comité de vigilance, il compte au moins cinq membres de la communauté. Et je pense que cette euh, le fait qu'ils se sentent compris entre elles ou elles se sentent comprises entre elles les deux communautés, elles sont arrivées à transcender tous les problèmes auxquels elles sont exposées. Au Niger, existe-t-il des outils efficaces de prévention et de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs Si oui, pourquoi la recrudescence des conflits qui sont souvent meurtriers Bon, vous savez, le Niger quand même a l'avantage, a l'avantage d'avoir suffisamment de textes le cadre institutionnel, le cadre juridique, tout ça là c'est balisé au Niger. Donc dès lors que tout ça s'est normé, en principe les conflits ne devraient pas exister. Et si les conflits existent, c'est que quelque part il y a du laxisme par rapport à l'application des textes. Et peut-être aussi quelque part il y a des gens qui, pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Les communautés n'ont jamais voulu les conflits. Elles ne cherchent même pas les conflits. Mais seulement quand les conflits arrivent, donc il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour les gérer. D'abord pour les prévenir, mais aussi pour les gérer. Si tout se passe dans le respect des normes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si je prends par exemple le cas de Tilaberi, vous avez parlé de l'Ouest. Le conflit auxquels on est confronté, surtout nous, moi en tant que géoruraliste, c'est les conflit agriculteurs-éleveurs pour l'accès, la, la, gestion des ressources naturelles. Mais vous voyez, Tilaberi a un schéma d'aménagement foncier adopté depuis 2022. Si on met en application ce schéma-là et que tout le monde respecte la règle, il n'y aura aucun conflit. Zender a un schéma d'aménagement foncier. Maradi a un schéma d'aménagement foncier. Dosso, donc quatre régions sur, euh, sur huit, chacune a un, schéma d'aménagement foncier. Et vraiment, le schéma d'aménagement foncier, les structures du code rural, la, la loi sur le pastoralisme, le code de l'eau et tout ce qui s'ensuit. Vraiment, tout est normé au Niger. Maintenant, notre problème, c'est vraiment la mise en application. Votre dernier mot, docteur Mon dernier mot, c'est un appel que je dois lancer, puisque la quiétude sociale, tout le monde en a besoin. Donc les communautés là, elles peuvent se regarder en chaîne de France, comme on a coutume de le dire, mais au finish, elles, évoluent vers le même objectif. C'est l'entente, c'est la sécurité, vraiment c'est la cohésion pour tout le monde quoi. Et je pense que si on peut s'y mettre, on peut arriver à cet objectif-là. C'est pas impossible. Surtout qu'on dit que impossible n'est pas nigérien. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, place à présent à la rubrique hebdomadaire éducation numérique de CGD. Nous allons parler d'une plateforme qui fait beaucoup de bruit sur ces, ces derniers temps. Blue Sky, ces réseaux sociaux décentralisés, gagne en popularité face à X. Anciennement Twitter, surtout depuis l'élection présidentielle américaine. Pour en parler, nous recevons Ousmane. Il est journaliste au studio Kalangu. Bonjour Ousmane. Bonjour à tous, euh, bonjour euh, bonjour euh, Samira. Bonjour, bien Ousmane. Souvent tu nous déstabilises parce que souvent on dit rédacteur en chef adjoint, <laughs> principalement pour le numérique du studio Kalangu. Avant d'entrer dans les détails, Ousmane, peux-tu nous rappeler les origines de cette plateforme alors, Blue Sky, en fait, c'est une plateforme euh, de médias sociaux qui a vu le jour en 2019. Donc, à l'origine, c'était euh, une initiative de recherche lancée dans le cadre de Twitter, justement, sous l'impulsion de Jacques Dorsey, qui est l'ancien euh, PDG de Twitter. L'idée, en fait, était d'explorer la possibilité de créer un réseau social décentralisé où les utilisateurs auraient davantage de contrôle sur leurs données et sur leur expérience. Donc, c'est en 2021 que Jack Graber a pris les rennes en tant que PDG de Blue Sky et Jacques Dorsey a quitté le conseil euh, d'administration en mai de la même année, ce qui a marqué un tournant dans l'indépendance de la plateforme par rapport à Twitter. Oussou, Blue Sky a dépassé les 20 millions d'utilisateurs récemment. Qu'est-ce qui explique cette croissance alors, la montée en puissance de Blue Sky est impressionnante justement et depuis l'élection euh, présidentielle américaine, euh, la plateforme a enregistré une croissance de plus de 500% aux États-Unis. Cela s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, euh, il y a eu une réaction face au soutien affiché par Elon Musk, euh, donc le patron de Twitter X, envers Donald Trump, donc qui est le nouveau président des États-Unis, lors de cette élection-là. Cela a conduit de nombreux utilisateurs, notamment des journalistes, des universitaires et des personnalités publiques, à chercher des alternatives à X qui est perçu aujourd'hui comme moins neutre. De grands médias aussi comme The Guardian euh, ont aussi quitté X en dénonçant le contenu parfois jugé toxique ou dérangeant sur la plateforme. Cet exode profite directement à Blue Sky qui offre une expérience utilisateur proche euh, euh, de l'ancien Twitter, tout en mettant en avant euh, sa décentralisation. Justement, parlant de cette décentralisation, qu'est-ce qui distingue Blue Sky des autres réseaux sociaux comme Trade ou X alors, la grande particularité de Blue Sky réside dans son fonctionnement décentralisé, basé euh, sur un protocole qu'on appelle le protocole AT. Cela signifie en fait que les utilisateurs et les développeurs, donc les personnes qui maintiennent à flot la plateforme, ont plus de contrôle sur leurs données et leur expérience, contrairement à X ou Trade, qui sont des plateformes centralisées cette fois-ci contrôlées par des géants comme euh, Elon Musk ou Meta. Blue Sky met vraiment l'accent sur l'indépendance et la personnalisation. Ou sous cette croissance rapide peut-elle vraiment inquiéter des géants comme Trade ou X Bon, en partie. Bien que en fait Trade revendique plus de 2, 275 euh, millions d'utilisateurs actifs par mois, certains indicateurs montrent que Blue Sky gagne du terrain. Par exemple, aux États-Unis, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Blue Sky dépasse aujourd'hui celui de Trade. Sur l'App Store aussi euh, américain, Blue Sky est même numéro un des applications gratuites en ce moment, donc de toutes les applications téléchargées. Cela montre euh, donc un réel intérêt pour cette plateforme, notamment chez ceux qui veulent une alternative plus ouverte et indépendante. Et si Blue Sky maintient ce rythme de croissance, il pourrait devenir un concurrent sérieux à long terme. Quels sont les défis pour Blue Sky dans cette bataille alors alors, le principal défi aujourd'hui pour Blue Sky est de transformer cet engouement initial en une communauté durable. Attirer des utilisateurs, c'est une chose, mais le retenir en est une autre. Blue Sky devra donc continuer à innover et à répondre aux attentes de ses membres, notamment en termes de modération et de fonctionnalité. Un autre défi, c'est de convaincre les utilisateurs qui restent attachés à X malgré ses controverses. Comme l'a souligné euh, Kenneth Roth, euh, qui est l'ancien directeur de euh, Human Rights Watch, quitter X, selon lui, c'est abandonner cette plateforme-là à l'extrême droite. En conclusion, que peut-on attendre de Blue Sky dans les mois à venir Alors, si Blue Sky continue sur cette lancée, il pourrait devenir un acteur majeur des réseaux sociaux, surtout auprès des utilisateurs à la recherche d'un espace euh, moins polarisé. Sa croissance est un signe clair que de plus en plus de personnes en fait souhaitent diversifier leurs canaux de communication et d'information. Cependant, il reste à voir si cette tendance va s'inscrire dans la durée ou si elle s'essoufflera face aux géants comme euh, Trade ou X. Merci beaucoup Ousmane pour cet éclairage. Merci, à la semaine prochaine. Voilà, chers auditeurs, un autre tour à musique avec euh, l'orchestre Gaze Band qui nous chante Soyeya. L'amour, c'est un sentiment qui atteint l'ennemi par un autre. Qui cherche trouble, même celui qui t'aime. Tu abandonnes tes ennemis. Ambassadeur. Quand les grands font le soir, les petits ne font que raconter. La Gazwana à la place. La Gazwana. discussion. kisan na mai ga kana gani latani yariya ta muce abraman namu ne baba awo da adam da ni da kai marki su kana gani aitun mayariya ta muce Hussein hayo kamar da shi Voilà, chers auditeurs, c'était Gaze Banda avec le titre Soyeya. Place à présent au reportage en région qui nous amène à Difa. En effet, Selamatou, la région de Difa a été frappée cette année par des inondations sans précédent, causant le déplacement des populations, des dégâts matériels et des destructions de nombreuses infrastructures. Ces, crues ont également ravagé des cultures agricoles, compromettant les récoltes et menaçant la sécurité alimentaire. La route nationale numéro 1 reliant Difa à Dindimi est endommagée, perturbant la circulation sur cet axe crucial pour la région, suivant le reportage de Guidi Abdraman. Les inondations consécutives à la crue de la Komadougou Yobe ont durement touché plusieurs milliers de personnes dans les communes de Bosso, Mainesoroa, Chetmari, Difa, Geskerou, Gourmaria et Ningimi. Abba Youssouf Abdallah, chauffeur sur le tronçon Difa-Ningimi, témoigne de l'état de la route et des difficultés de circulation. Avec l'arrivée des eaux, toutes les routes sont coupées. Acheminer les marchandises dans une localité de l'est de Difa est devenu un problème. Il faut comprendre que c'est la seule route qui relie Difa, Ningimi et même le Tchad. Aujourd'hui, la Komadougou a coupé cette route. Pour faire ces tronçons, il faut partir vers le nord, loin du goudron pour contourner cette eau, ce qui augmente la consommation. Sur une distance de 130 km d'Ifa Ningimi, on est obligé de parcourir environ 200 km pour atteindre Ningimi. Cela nous coûte cher en termes de carburant, mais également va impacter le prix des denrées dans toute la bande est de la région. On remercie Dieu. J'appelle aux autorités de faire tout ce qui est à leur pouvoir afin de régler cette question de route pour que cela ne cause pas une crise alimentaire à l'Est. Quelles sont les répercussions de cette catastrophe naturelle sur le marché local Modu Abakura, économiste à DIFA, sur la question. On va assister à une flambée des prix des céréales, des derrières alimentaires sur le marché, ce qui n'est pas euh, à la portée des, familles qui sont déjà vulnérables suite euh, aux inondations. Donc, la vulnérabilité des familles causées par les inondations fera en sorte que ces familles n'ont pas assez de pouvoir d'achat pour s'approvisionner sur le marché en derrière alimentaires. Donc, de façon immédiate, il y a un, un risque d'insécurité alimentaire au niveau de ces familles. Vous n'êtes pas sans savoir que les inondations ont emporté leurs champs et les gens ne m'ont pas pu récolter. Et le marché qui se trouve maintenant de dernier recours pour s'approvisionner en denrées alimentaires se caractérise par une flambée générale des, des denrées alimentaires. C'est dire que même pour la prochaine campagne, la production risque de diminuer alors que les besoins alimentaires sont, énormes déjà à un gap. Donc l'État doit prendre ce paramètre en compte. La société civile reste mobilisée aux côtés des populations pour atténuer les conséquences de ces inondations qui aggravent la précarité dans la région. Nous vivons jusqu'à présent euh, l'inondation et dans son chemin, la Comadougou a coupé les tronçons qui relie la ville de Difa aux, autres euh, villes de, l'Est, notamment Toumour, Bosso, Kablewa, Ningimi et Ngurti. Donc, c'est euh, ce qui oblige les transporteurs à faire un grand contour. Donc, par rapport à ça, les syndicats doivent apporter leur contribution. On ne dira pas qu'ils ne sont pas obligés d'augmenter le prix, mais quand même, euh, ils peuvent vraiment faire un truc raisonnable qui ne va pas trop faire souffrir et de l'autre côté, euh, l'appel que nous lançons, c'est que l'État doit repenser pour voir qu'est-ce qui peut être fait, parce que ce n'est pas une première fois, ce n'est pas une deuxième fois. Face à cette situation d'urgence, l'État et ses partenaires ont mobilisé des ressources importantes pour venir en aide aux familles sinistrées. Cet appui inclut la fourniture euh, l'eau potable, la mise en place de cliniques mobiles et le déploiement des travailleurs sociaux pour un suivi continu de la situation. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, euh, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport avec notre chroniqueur Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Salamot. Bonjour Adam. Adam, parlons du lancement du championnat africain de football scolaire de la zone IFOAB. Débuté hier à Niamey au centre technique de la Fédération nigérienne de football, le championnat africain de football scolaire de la zone IFOAB pour le match d'ouverture, le Niger a affronté le Burkina Faso, victoire du Burkina en homme tout comme en respectivement 1 à 0 et 5 à 0. Cette compétition va s'achever le 24 novembre prochain. En dehors du Togo, tous les pays de la zone participent à ce championnat de moins de 15 ans. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la réaction de l'entraîneur des U15 du Niger, Amadou Gado Abdul Karim, au micro de notre Salamatou Kadri. Euh, on a essayé de jouer ce matin pour faire plaisir d'abord au peuple nigérien, après vraiment essayer d'amener ces jeunes-là à prendre du plaisir pour mieux s'exprimer euh, sur le terrain. Nous, l'objectif était vraiment d'avoir une équipe euh, collectivement prête qui va produire du jeu on a trop insisté sur la qualité du jeu, vraiment sortir des ballons à travers euh, le gardien pour l'amener des milieux terrain jusqu'aux attaquants. Malheureusement, on avait en face de nous des joueurs plus costauds que euh, nos jeunes. Euh, c'est ça qui a vraiment mis beaucoup de difficultés à nos jeunes pour mieux s'exprimer et sortir avec les balles. Chers auditeurs, je vous propose à présent d'écouter l'entraîneur du Burkina Faso, Ousmane Ouedraogo, qui, malgré, malgré sa victoire, il espère retrouver du beau jeu avec ses jeunes scolaires. C'est un niveau assez bon parce que euh, quand on prend l'équipe nigérienne, c'est une équipe qui ne dégage pas les ballons, qui pose pour jouer. Bon, euh, nous nous sommes euh, venus ici, c'est pour faire plaisir, que les enfants se fassent plaisir, qu'ils jouent au football qu'ils essaient de déposer le ballon pour bien circuler et en tout cas engranger des points. Ce matin, nous avons vu que, euh, comme c'est la première fois que les enfants euh, jouent une compétition comme ça, ils n'ont pas pu déposer le ballon comme nous, nous, les avons enseignés. Mais je pense qu'avec le deuxième match, nous allons faire un effort pour les demander de déposer le ballon parce que c'est football de jeunes. Il faut qu'ils arrivent à construire et procéder par des, petites passes et puis aller vers l'avant et concrétiser des buts. Sinon, pour, pour un premier match, je pense que le niveau, le niveau est acceptable. Il est assez bon. Adam, pour finir, parlons également du championnat national de foot, la Super League. Le calendrier de la troisième journée est désormais disponible avec un premier match de ce soir entre Wambay de Maradi qui reçoit la Renaissance de Bukoti. À l'occasion de cette troisième journée, il y aura également le choc entre l'Olympique FC et le Liberté FC le dimanche 24 novembre à 16h. Au même moment, le seul Sporting Club sera opposé à l'AS Douane. Chers auditeurs, c'est tout pour l'essentiel du sport de ce 21 novembre. À demain pour d'autres informations sportives. Ok, à demain. Merci beaucoup, Adam. On se dit à très bientôt. Maintenant, on passe au portrait du jour. Et eh oui, Samira Maradi, de plus en plus, les jeunes s'intéressent aux activités des associations de développement créées par d'autres jeunes. Entre ces associations se remarque une concurrence positive. C'est dans ce contexte que Shamsia Bashuru intègre l'association des jeunes Hangen Nessa pour connaître ses motivations. Mohamed Maman est parti à sa rencontre. sur son reportage. Âgée de 23 ans et en troisième année de médecine à l'université de Maradi, Shamsia Bassir a adhéré à l'association il y a moins de deux ans. Malgré son programme chargé en faculté, aider les autres reste une motivation pour elle. J'ai envie d'amener ma contribution. J'ai envie d'aider les autres. C'est cette motivation qui a fait en sorte que j'ai intégré l'association. C'est vrai que notre faculté, c'est pas facile avec les stages, cours et tout ça. Mais quand même, c'est pour ça d'habitude on programme nos activités des week-ends. C'est comme ça on arrive quand même à se décarcasser pour essayer de faire nos activités. Mais ça va quand même. Ce sont des interventions tout azimut que ces jeunes organisent dans le seul but de voir le sourire sur le visage de leur prochain. Nous intervenons dans les domaines hygiène et assainissement, santé, éducation. Nos objectifs est de contribuer à la mise en œuvre des politiques élaborées par notre État pour essayer d'aider les populations qui sont dans les besoins. On a eu à faire des activités dans des centres, des salubrités dans des établissements, dans des cimetières et on aide les orphelins, les talibés qui sont au niveau des leur marabouts. En tout cas, on essaye de, s'initier dans tous les domaines quoi, où on a besoin d'aide. Quoi. Pour la jeune Siem Bassir, cette association répond parfaitement à ses aspirations. Travailler est un moyen pour elle de se déstresser après les cours. Je me sens bien juste quand je vois que j'ai aidé une personne qui est dans un besoin. Donc je me sens juste bien. Juste ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose encore. Quand on part faire des formations ou bien des sensibilisations au niveau des villages ou bien des communes comme ça, on aimerait que les gens se mettent en pratique ce qu'ils ont appris au niveau de l'activité ou bien de la sensibilisation. Vraiment, moi, ce que je voudrais dire aux jeunes comme moi, c'est d'essayer de faire autre chose, genre d'intégrer les différentes associations qu'on a au Niger. Vraiment, c'est important. On ne peut pas juste s'arrêter au niveau des études. Shamsia Bassir invite les autres jeunes à adhérer dans les associations de développement, car toute action est un plus pour la communauté. Merci Mohamed Maman pour ce portrait. Bouclons notre playlist avec le titre Kukanzaki avec l'orchestre Colombo de l'Aïr. Y así es ganar. dari yara na na na aikin sojuwa zai kashe mutum a har ma a bashi lamba sai soja sai soja sai dai soja soja birgi mana saka, soja marmari daga nesa bindiga dira yaki a galari soja yi sosai na ga fitar tsallani dubun ka fitar yi bira ya karuwa mai wanke dauda na sani na gaishe ka na yaba akwai alheri kalar kudi kalar kaya na yi ba harkin gani jiwonka wane rabo da rigar soja mai aro mai hasa soja wane mutum da kakin soja daga diyan sai matan sai mu da ke taba muku wahala Tasar na gaishe na biji sai kan lalle ka Barnan da dubo bai zo ba Na wale na can lalle ka In kiske mai sai Kalan mutum kalar kaya nai Barikin kari yiwon ka Kai yaran ba da sarwa Sarwa can lalle ka Aji ba da sarwa Inuwar ba da sarwa Muna ba sarwa Ina sani na gaishe mu ba akwai arme yaran fada haske maganin duhu haske mefilis ma siyawa gai da sista sam na sani na gaishe mu na yaba akwai alheri ku ba komai zowa polis sai na gaishe mu belbaja yi polisu kajar na gaishe ka kalan mutum kalar kaya ne farikin galibiyonka ba a sayar ba kaza ta dara doki wani ina baban wani na baban ce ya wuce yaro sai dai baban yaro ko kuma kakan yaro baba abulkarimu ilola na gaishe ta na bari da yarinya ɗaya ba akwai alheri irabu ko bai ko ba studio don lalle ka ni'ima babu ganana na yaba akwai alheri waye da mu nuga sannu ban da na kiwa ce za ki ba ka da tsoro wa waye da mu nuga ko waye da mu nuga wani da shi ne mu wajen manta araba ne

Chers auditeurs, cette euh, belle chanson annonce la rubrique Loti gracieusement offerte par l'équipe femme du studio Kalongo. Les femmes nous parlent aujourd'hui de l'importance de la carte d'identité nationale pour un citoyen. En effet, cette pièce d'état civil instituée par la loi est non seulement obligatoire pour tout citoyen, mais surtout nécessaire dans la vie active. N'est-ce pas Samira Rouafi et Retia Arimi? Salale, ‘yar uwata kina lahiya, ya ne, ya hanya, ina fatan dai kin kamo na wasu abubuwa ko? Ke, ki kara mini haushi kin shi ko? Yau ban zo da shi ba. Allah ya baki hankuri. Me ya faru? Wa ya sa ki cikin wannan halin? Koko Muhammad ne da ki gani waje bisa kan majalisa. Hm, inda ma shi ne, bari in aje kayana in huta sannan in baki labari kaɗan. To am shiga ruwa ki sha. To gaya mini me ya faru? Ina so in ji abun da ya saki cikin wannan halin duk ke bi kanki duk ya biya ɓaci. Hmm. uwa in na faɗi miki abin da ya same mu kan hanya daga ƙauye zuwa nan yamai ba kya yarda ba a kan kowane iyakar gari na ce miki sai an sabke mu an tsaida mu abin bai birge mu ba ko kaɗan wanda ya sa kenan muka yi latti. A'a, dan me yasa ake ji ku daga mota kuma a mai ku? Ko ko kun kwaso sayan ƙwaya ne cikin mota? Hmm, a'a, wai kawai dan saboda cikinmu wasu ba su da katin ɗan ƙasa wanda ake ce ma karti didantite. Hei ka ce dole ne ka yi shi haba ke ko yar uwata ai waɗanda sun ka da ku suna da gaskiya tun da ke ga kun keta doka ai ai katin zama ɗan ƙasa dole ne kowane ɗan ƙasa ya yi ta inda ya kai shekara goma sha takwas wannan shine ke sa a san ko wane ne kuma a samu a kare shi don ba a sani ba abin da ke iya faruwa kariya kariya da mi kuma da wa cikin ƙasa ta fa nike wani irin abu ne zai same ni gaskiya ni dai in haka nan ne ko ba na sake zuwa birnin nan ba can ta matse miki in kina son ki zo in kina son ki zauna can cikin wannan sulurin ƙauyen naku amma ina son ki san da wani abu katin ɗan ƙasa abu ne da ke gwadin da kai ɗan ƙasan ne kuma an aza shi tun bisa kan dokar da ta wuto rana tara ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu amma wallafa shi bisa kan jaridar ƙasa mai lamba goma sha tara na ranar ɗaya ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu ke shahamun lahiya kin shigo kiri kika san komi in dai bisa kai ga gaiki ne kam na san abubuwa da yawa to tsada in gaya miki kin ga katin dan kasa tunda baki iya yawo da takarda aihuwarki wannan sauki ne da an kan muku abun da bisa takarda aihuwarki shi dai ne ake rubuta bisa kan katin dan kasa dan ki samu ki yawo cikin kwanciyar hankali kuma ki gani cikin wannan rishin samun kwanciyar hankalin da muke ciki kuma har ma wajajen ku babu kwanciyar hankali kina iya shiga cikin wani hali da baya da kyau kuma ke ga yanzu fa ana zargin cewa mata da su ake kulla baki ana yin masiba kai kai kai kai subhanallahi Allah ya tsare mu kuma in wani abu ya same ki wani hatsari ko wani abu bani fatan shi amma in kina da katin ɗan ƙasar ki tare da ke wannan zai sa a san ko ke wace ce kuma ke ga ana rubuta lamba saman katin sai a gaya ma yan uwanki kenan haka ne yin wa'annan takardun yana da muhimmanci abin bai taɓa zuwa mini a kaina ba To, kin gani kina da shekara goma sha tara. In kina son ki ta ki ɗauko wani sako, ba ki iya yin shi in dai baki da katin. Kuma yanzu ga harkokin aike-aiken kuɗi aika a ɗauko maka ko aika ka aika ma wani da kuma harkokin banki dole sai da kati. Ke dai bari, kin gama komi, ai na gane duka. Daga na koma ƙauyenmu zan yi wannan katin domin in samu in yi bulaguro a cikin kwanciyar hankali. Ke, balle kuma ke ma ba kya samu damar cewa ba ba kya aiko mini wani abu ba dan ban ne da kati a gaskiya ina baki kwarin gwiwa ai dai zancen kuɗi ne nan da nan kike fahimtar abu ha na gane fa <laughs> ba ni ruwan nan ga in sha chers auditeurs, l'émission Le Niger sur c'est aussi de la culture linguistique, un voyage à travers les mots et expressions. Et ce matin, nous recevons Alignali pour nous expliquer le mot protégé en folfoldé. Bonjour chères auditrices, euh, bonjour chers auditeurs, bonjour Samira, bonjour euh, Salamatu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 novembre 2024. Notre mot du jour pour la culture linguistique de ce jour est protégé. Ce mot a été expliqué en français, en anglais, en Hausa et en charma. Aujourd'hui, nous allons l'expliquer en Fulfulde. bandiraɓe barkinaɓe kettinaniɓe sigilaji niger sur kalangu ko jam weti e moɗon hannden ni eɗen tawa alkamisa laso e go'o lewru novambre tan du ujuna ɗiɗi e laso e nayi dabbune du tawaɗen biwɗo du dabbune duni fa hannde wi pewol naabi en duni fa hannde wifa solare waɗa jemma fewa nder wakkati o duno fa hande o durma ɗoyru e ko nandi titta ɓuri torrude neɗɗo wakkati o duni fa hande nder mum eɗen kaani noon fa hande hakkillanade ko e meɗen domen cellal cukaɓe meɗen kongol meɗen francirigol nantinten hannden ni alkamisa o enden kam woni protégé naabi en renude ngam hisinda neɗɗo to torro na renude goɗɗum ngam to ɗum bunu neɗɗo no rena hoore muɗum no rena duni fa hannden jawdi mum ngam to jawdi muɗum di enden ni bunu na halkum miccintinen himɓe ko ɗo enɗen ni leydi niger laabi laamu joɗɗinama joɗɗinama duni fa hande ngam renude hakke himɓe jukkude nawtortoɓe internet e ko nandi titta ngam bonnude inde neɗɗo na gam rufude darja neɗɗo nde raɓɓinol haala ni renude hoore muɗum no wuɗi sanne no nafa denne bandiraɓe hettinaniɓe sigilaji niger sud kala ngu en duru renude ko e meɗen renude duni fa hande en ko jeyɗen e ko giɗuɗen ɗo du bandiraɓe min daranto on Ombarkini, Faal Voilà tout pour aujourd'hui. Et à bientôt, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaitez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Samira, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. malam sa'adu sa'adu sule tanu yake zama da zama mai tebur muna sauraron radio kalangu mu shirin da ke birge mu kawai ka cici ka cici duka ta birge mu a cikin wannan ra'ayi. sai kuma na haka wani na shirin wannan wanda ake waye ma mutane kai wannan shirin shi ma wani yana birge mu muna sauraron shi amma wani bi sai kaɗan kuke ɗewa guntu ba ku yahiya da yawa sai ku yanke kadan nan idan kuna so a dan kara Yawwa a dan kara an son samu ne ina gaida abokina dan aya mai tebur da ke nan tanu ina gaida mala awaisu da ke tare likita mai shafshaf Bishop, ina gaida Mala Anini Metebir, ina gaida babana Ashiru Metebir, ina gaida Lawal Shab Shab da Margu FF. Sanusi Dan Aya, Tanad to madalla eh kuna saurara shirye-shiryen studio kalangu eh, gaskiya wannan shirye-shirye alhamdulillah yayi kyau ina gaida Umar Sanda sarkin kasuwa gaisuwa da fata alkhairi ina gaida Chibu Dakka mai trader ina gaida Mala Awaisu ina gaida Ashiru Gurgu mai tebur ina gaida Babaya mai sudur ina gaida isu tula mai tebur a nan cikin kasuwar garin tana ta gaisuwa da fata alkhairi ya kai a gare shi cikin shirye shirye mu wani ne ya yi birge ka kai gaskiya abubuwa diya yana birge ni daga ciki suna na jafar abubuwan da suke muna jin daɗi gaskiya allah kara musu arziki allah taimaka eh, a cikin tsarin nasar suke muna jin daɗi a yanzu ban iya kawo su a kai na ma in ce muka da kaza da kaza ne saboda abubuwan diya ne da wadawa kuke so ku gaida a dukkan su kawai muna gaida su sunana su dai halari sama kiri a nan tanit sosai ma muna sauraron studio kalagu lokaci zuwa lokaci ya danganta da irin ayyukan da muke akai a wannan lokacin da shirin zai zo mana amma duk da wannan muna bin ku sau da kofa bismillah wani shiri ne ya birge ku cikin wannan shirye shirye eh ito gaskiya a shirin studio kalangu ba na yarwa za a ce kenan za mu iya daukan su duka zamu ci suna birge saboda kowanne muna bi shi sau da kafa ni makeri ne ina tare da manoma kuma ina tare da makiyayan kowa namu ne muna wani bamba abubuwa shirye shirye da muke yi bisa kan kere kere bisa kan al'adu da zamantakewa kuna sauraron sosai ma sosai muna sauraron kuma muna samun wayewa a kai dan saboda a studio kalangu da muke samun abubuwan na waye kai a game da yadda zamu gudanar sana'a lalle mun taso muna yin ta ba mun wani dogon karatu ba muna yin ta amma kuma ba mu da kusan ilimi a ciki ba mu da wani kwas amma zauwa studio kalangu a nan tana daidai gwargwaro mun samu karuwa ta wannan bangaren to akwai mutanen da kuke so ku gaida ina gaishe da wato technician kin mu wanda yake kusan sada mu da ku anan shine Mansur wanda yake kula da bangaren radio da margutana wanda ita ce ta sandiyar da muke samun ku da kuma Lawali Musa wanda ake shaf shaf ku shi da muke gabatar da shi tare da kuma sarkin kasuwa na nan Talat wato Umar Sallah dubin gisa da fatar zuwa ga dukkan masu sauraro su yi a wannan lokacin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, ici prend fin notre émission de ce jeudi 21 novembre 2024. Vous étiez en compagnie de Samira Wafi et Salam Kadri. Ce fut un plaisir de partager cet instant avec vous. On s'est dit à 18 h pour notre programme de 2 heures qui débutera avec l'édition en français. Merci à l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Bonne journée à tous. Bye bye. Bye.